Bien évidemment, Philippe a parlé de je parlerai en tout cas de l'ensemble des snappers du Sénégal. Oh, mais aussi de tous ceux qui travaillent dans l'audiovisuel et surtout ceux qui sont dans la profession presse, journaliste sportif. Merci beaucoup, très content. Mesdames et messieurs, chers représentants du mouvement sportif sénégalais, je n'oublierai pas aussi la présence du président des lutteurs du Sénégal, le champion grippolo. Oh, oui. En bon croyant, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu. Et je voudrais aussi prier pour mes deux frères Rendre grâce à Dieu pour m'avoir permis de travailler et de diriger le ministère des Sports pendant huit ans et deux mois. Bah, je voudrais également, chers amis et chers frères, remercier du fond du cœur mm. et très profondément, très sincèrement, son Excellence le Président Macky Il a porté son choix sur ma modeste personne depuis 2014 pour manager ce département stratégique. Mais insistez il y a Une période certes longue, mais une période chargée d'émotions, chargée de pression, mais aussi chargée de joie. Les résultats sportifs que nous avons obtenus pendant ces huit années et plus découlent du soutien indéfectible que nous avons bénéficié de la part du président Macky ces résultats sont le fruit du travail immense des cadres et agents du département, mais aussi et surtout de l'ensemble des composantes de l'écosystème du sport sénégalais, et parmi lesquelles on peut citer le Comité national olympique sportif sénégalais. Dans sa double posture d'interlocuteur du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics et de partenaires de l'État dans la mise en œuvre de la politique sportive les fédérations et groupements sportifs, dont je salue l'engagement l'effectif à mes côtés pendant la période de huit années, effectivement deux mois. Je n'oublie pas l'Association nationale de la presse sportive, les associations de supporters, notamment le 12e PD et le 1er Casa, les multiples associations de soutien et d'appui à l'action de mon département. Les dirigeants, les athlètes, les joueurs et autres pratiquants. Le peuple sénégalais dans son entièreté. Mais comme vous le savez tous, un leadership n'est viable et efficace que s'il est soutenu et accompagné. Ce soutien et cet accompagnement je les ai toujours trouvés dans l'action quotidienne de mes collaborateurs et les responsables du mouvement sportif. Mais surtout, auprès du premier Sénégalais, le chef de l'État et de tous mes collègues membres du gouvernement du Sénégal. Ce soutien et cet accompagnement sont à mon sens la clé de voûte des victoires qui ont placé aujourd'hui notre pays dans le concert des grandes nations sportives à travers le monde. C'est pourquoi je voudrais encore une fois dire un grand merci du fond du cœur à tous mes collaborateurs, notamment les membres du cabinet, le secrétaire général, le directeur de cabinet bien évidemment, les directeurs et chefs de service, les chefs de services régionaux et départementaux, les assistantes, le personnel administratif et le soutien, les forces de sécurité et bien sûr les habitants de la zone B qui m'ont toujours témoigné leur affection et leur soutien durant la période des 8 ans et 2 mois. Je confonds à ces remerciements le mouvement sportif, je l'ai indiqué tout à l'heure, les fédérations et les groupements sportifs, dont l'investissement largement au-dessus des missions qui leur sont confiées sont souvent mis en conseil avisé dans une parfaite intelligence avec les options de l'État. Ces résultats qui font la fierté de notre pays illustrent donc la pertinence de la vision du président Macky Sall et particulièrement ses choix judicieux et objectifs quant à la composition des équipes gouvernementales chargées d'opérationnaliser la politique de développement national. C'est pourquoi les nombreuses manifestations de sympathie à l'endroit de mon département, largement diffusées et relayées, je les comprends et les apprécie, comme l'expression de l'adhésion à la décision du chef de l'État de porter sa confiance sur la personne de M. Yann pour poursuivre l'œuvre que nous avons entamée ici au profit de la nation. Mon cher frère, mon cher ami, monsieur le ministre des Sports, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès, beaucoup de réussite à la tête du ministère des Sports. Un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de l'Atlantique gouvernementale. Je suis convaincu que le choix porté sur votre personne par son Excellence le Président Macky Sall pour diriger le département des sports et les meilleurs Parce que, comme à son habitude, il l'a fondé sur des critères pertinents d'aptitude et de compétences, sur votre sens de l'État, du service public, votre engagement indéfectible à servir la nation, mais également sur les qualités humaines exceptionnelles et indéniables qui caractérisent votre personnalité. Certes, les échéances futures sont proches et immenses, notamment la Coupe du Monde au Qatar, qui est déjà arrivée et dont la préparation a commencé. Mais soyez convaincus, mon cher ami, monsieur le ministre, que vous trouverez dans le sport et dans l'environnement au niveau de l'administration ministérielle et dans le mouvement sportif et associatif des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majeure que le Sénégal doit réussir avec prix. Je voudrais vous rassurer, mais aussi vous assurer, Monsieur le ministre, ma disponibilité pour l'exécution complète des directives que le président vous donnera à cet effet. Pour la mise en œuvre de la politique sportive dans son ensemble. Permettez-moi pour terminer pour rendre grâce au Seigneur qui nous a permis de réaliser ces résultats qui font la fierté de tout un peuple. Je vous rappelle quand le président Macky m'a confié ce département. Il m'avait dit, je vous confie le département des sports pour que vous travailliez pour le peuple. L'émotion, tout ce qui s'est passé après la lecture du nouveau gouvernement montre tout simplement que le chef de l'État ne travaille que pour son peuple. Et tous les résultats étaient destinés à ce vaillant peuple, le peuple sénégalais. C'est pourquoi je n'ai aucune inquiétude. Il faut que tout le monde le sache. Mhm. Parce que j'ai à côté un ami qui connaît le bureau, un jeune frère que j'ai côtoyé pendant plus de 20 ans, qui sûrement avec les amis du comité olympique, les vaillants présidents de fédérations et groupements sportifs, les résultats positifs vont continuer pour le Sénégal. Je sais que vous en êtes capable. Et comme je vous l'ai indiqué dans mon bureau, monsieur le ministre, je serai toujours à droite, à gauche, devant et derrière. Pour vous accompagner oh, oh, oh. à réussir ce pari qui n'est pas aussi difficile qu'on le pense parce qu'il s'agit de travailler et vous avez tous les éléments pour poursuivre le boulot. donc moi qui maa ngi leen de de sant suñu waajur ñu ngi sant bu baax son ci le président Macky Sall. tudd nga fi jig Sénégal. ci kóolu teg yi mo amone ci ñun tegg ñu fi nga xamantene moy ñu jité ministère des sports mu baye ñu fi ci juroom ñetti at ak ñaari wër ba ñuy dénk yi daf ñu ne ma ngi lay jox lii waaye jumtukaay bi réew may ko mom kon liggéey la réew. def hmm, ko ko. kon dam yi ya. ci doon ñaan yépp mom la parce que xam ni yéne pour rew mi la kon nak waxtu dem bu joxé nam ñu tané won di yaakar ndam ndam am non la tané sama rak sama xarit le ministre des sports Yankhoba Diattara xam nañ ne taxawaayam mate na ko parce que kuma xam la sama xarit la sama rak la

muy les agents du ministère des sports cadres yi nekk chaque jour ñuy sacrifier pour le développement du sport sénégalais xam naa ne say xarit lañ parce que xam na leen dinañu jàpp te xam naa ne dinañ def yeneen i jéego ñu ngi rek waa Sénégal ba ma gërëmee kilifa diine yi gërëm sénégalais yëpp ci ñaan yi ñuy ñaanal pour réew mi jëm kanam sport jëm kanam. ñu ñaanal la yàlla may la ndam ba fii ñu jëm ci coupe du bi nga am fan bu raw suñu la bàyyi nag parce que bàyyi la mooy bàyyi suñu bopp. li nga yor ko bokk. ñëpp a ci war a jàpp bu lay dugg ci seen xol. kon ñu la ñaanal jàmm ñaanal nga am jàmm. wax ko sama rakk nga. boo gëstoo di nga gis. la ilaha illallah sooy dox di nga gis. Eh! parce que loolu lañ yàgg def te lii amul kon dinañ la gën jàppale. kon wax naa leen sama ngërëm du jeex ci président Macky sama ngërëm it du jeex ci waa Sénégal. cofeel gi yëpp li tax mu am mooy ki ma moo ma ne liggéeyalal pour réew mi. moo tax it loolu nga def moo tax ñu jéem ko. yàlla def na defuñu lépp mais am na lu gënal Sénégal yi. may sant it waa parce que foofu laa dëkk damay bokk di leen sant bu baax taxawaay bi di leen wax ne nag liggéey bu jeexee da ngay sant yàlla te ñaanal bi ko yalla may ñu amin way amin way ma ngi gërëm ku ma xam ak ku ma la ku ma ci xolam ak ku may ñaanal. Sénégal gépp la bëgg nag. ñëpp maa ngi leen di ñaanal muy presse sportive di douzième gaynde di Aley Kaza ak ñëpp ñiy yëngatu ci wàllu tàggat yaram maa ngi leen war a delloo jukkal parce que jàppale ngeen. gis naa fi léegi ay kilifa ku mel ni président Moustapha Diakhaté. gis naa fi ay kilifa Séga Sakho Bekay Faye Lamine Diallo am nga nag. lépp xam naa ne dafay la culture. sama gars yi ñoom maam ngi parce que vous êtes un partout. waaye nag mënu maa bañ sama rakk sama xarit. maam Boy Diaw le directeur de bi na sama xol. kon maa ngi di ñaanal président Macky Sall mu am ndam. sama kóllëre ak sama engagement ci On vous aimerons tous. o fogole sereer mene simna fop simna fogole sinig simna Sénégal fop ke xewna ten refu ye calel ga i ndoxin ino ten tefe doxina ten a ref président de la République a doxna in calel pour i ñaal saax le

tentang lu Ondebes Fartet yang kau taref le ministre des sports le taref nan i ñaɗanan tajeg jam i ñaɗanan réussite i ñaɗanan fopa ndamtin nda koy ke taxnam laga sereer kam ande a sinig genum to andame a sinig mosiramo mbaas a ndam tayin a ndam ta président Macky Sall ten taxu bugona nu ne i njege parce que kay jàngame ne boo wéyulee bu bu bëri président Macky Sall doon wuñ leen te tax i baax mu ne. bett nga ñëpp ci séeréer kon kaay ngir man ngir man Saalé ngir man Sénégal te danaa fi rek damay tëjee gam te naa Sénégal a jëm dem. waxal pulaar bi tamit eh, monsieur le ministre waxal pulaar eh, monsieur le ministre ànd nga xaar nga xaar pulaar bi